Fidèles auditeurs et auditrices de Niger sur Kalangou, bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine de votre émission. Je suis Ali Moukela Ouseni, alias Seno, et avec moi Samira Rouafi. Bonjour Samira. Je vais bien, et toi comment tu vas Bonjour déjà Ça va très bien, Alhamdulillah. Un petit coucou à celle qui assure de l'autre côté de la technique. Il s'agit bien évidemment de Amina Hassan et à l'édition. Un coucou à Rahilato Soumana. Alors c'est on a quoi au menu au programme d'aujourd'hui, il y a de l'information avec le flash et la revue de presse pour boucler la semaine, puis une bonne dose de musique nigérienne comme d'habitude. Il y aura le loti, hein, la chronique du desk femme du studio Kalangu, en passant par la page sport avec notre chroniqueur sportif Soumana Amadou. La culture linguistique sera également au rendez-vous. Dans la rubrique euh, Entretien du jour, euh, nous serons avec une jeune sage-femme qui va nous parler de sa vocation pour le métier et du rôle de ces professionnels de santé. Et c'est à l'occasion de la journée mondiale dédiée à la sage-femme. Ce n'est pas fini, nous ferons un tour à l'intérieur du pays pour les échos de nos régions. Aujourd'hui, direction d'Osso pour parler de la commercialisation et la consommation de la pastèque. Chers auditeurs, installez-vous confortablement car c'est parti pour une heure de divertissement et d'infos. Euh, je vous propose de suivre le flash euh, d'information avec Mokhtar Hamadou. Mokhtar, bonjour. Bonjour euh, Samira, bonjour Ali et Moukaila Ousseini. Le flash d'information de ce vendredi à présent, le président de la République Mohamed Bazoum séjourne depuis hier à jeudi à Londres au Royaume-Uni où il entame une visite de travail. Il prendra part à la cérémonie du couronnement du roi Charles III prévue le samedi. Mais en marge du sacre du roi d'Angleterre, le chef de l'État, Bazou Mohamed, présidera aujourd'hui une table ronde sur le commerce et l'investissement au Niger dans la capitale anglaise. Après plusieurs années de négociations, le géant français du nucléaire Orano ex Areva et Niamey ont signé le 4 mai 2023, c'est-à-dire hier, un accord global de partenariat pour exploiter les jugements d'uranium du pays le groupe français avait abandonné il y a quelques années le jugement d'Imouraren, le plus important site d'uranium dans le nord du pays, estimant que le site n'était pas rentable. L'entrée en production a été gelée en 2014. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, Mohamed Ibrahim Mohamed, a présidé hier la cérémonie d'installation officielle de la Commission régionale d'aménagement du territoire. Cette commission rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et, au niveau régional. Elle vise également à veiller à la cohérence des des collectivités territoriales, des projets et programmes de la région avec les orientations du schéma national d'aménagement du territoire. C'est tout pour le flash d'information de ce vendredi 5 mai. Passez d'agréables moments en compagnie de nos collègues Samira Rouafi et Ali Ousseini Moukaila pour la suite de votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci beaucoup Mouktar pour ces informations du matin. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous serons avec euh, Madame Adama Désiré Emmanuel, étudiante en troisième année d'études euh, de santé option sage-femme. Donc euh, c'est une future sage-femme qui va nous parler de sa vocation pour le métier et du rôle que jouent ces professionnels de santé. Nous avons réalisé cette interview à l'occasion de la Journée mondiale de la sage-femme célébrée aujourd'hui 5 mois. Mais avant, savourons d'abord la première de notre sélection musicale d'aujourd'hui. Thank you. c'est le titre du morceau que vous êtes en train de savourer, produit par l'artiste Bourem Disco, créateur du groupe d'orchestre dénommé Super Bonkane en 2001. Ibrahim Jibo Mahmoudou, connu sous le nom de Bourem Disco, a fait ses premiers pas dans le domaine de la musique avec Eric Poncho. Et oui, Bourem Disco était d'abord talibé dans son plus jeune âge pour euh, apprendre euh, le Coran et il était jusqu'au Nigeria voisin et dans quelques pays hein, de la sous-région. C'est une fois de retour au Niger qu'il commence à suivre les groupes d'orchestre en tant que ramasseur et danseur. Effectivement, c'était un très bon danseur de disco à l'époque, d'où le nom d'artiste Bourema Disco. Et c'est comme ça qu'il fait ses premiers pas, comme je le disais, dans le monde de la musique. Et c'est parti pour une belle et longue carrière, pleine de belles chansons, surtout sur le social. Et oui, mais toute chose a une fin. Il a arrêté sa carrière musicale il y a quelques années et s'est reconverti dans la vente des véhicules d'occasion. à présent, nous sommes avec Adama Désiré Emmanuel, future sage-femme. Pourquoi avez-vous choisi d'être sage-femme J'ai choisi ce métier de sage-femme parce que depuis ma tendre enfance, c'était mon métier de rêve. Même quand je jouais avec les autres enfants, j'aimais trop jouer à la médecine. Et après l'obtention du bac, j'ai opté pour ce domaine et avec l'âge, j'ai réalisé que c'était un choix noble que j'ai fait, celui d'assister une personne qui va donner la vie. Actuellement, vous êtes en troisième année d'études. Est-ce qu'il y a des expériences que vous avez acquises durant ce parcours En tout cas, j'ai beaucoup gagné en maturité, en patience et à la compréhension du patient. Me mettre à la place de cette personne pour mieux comprendre ses sentiments. J'ai aussi compris une chose, c'est qu'avec la théorie apprise sur les bons je me suis fait une idée du métier de sage-femme, mais une fois sur le terrain, <laughs> j'ai vite réalisé que c'est une autre réalité. C'est vraiment le terrain qui commande et j'ai donc appris à m'adapter, quelle que soit la situation. Surtout, j'ai appris à maîtriser mon stress et à toujours garder mon calme, car je pense d'abord aux patientes. À ce niveau d'études, est-ce que vous faites des stages et comment ça se passe Et avez-vous euh, une expérience à partager avec nos auditeurs Oui, nous faisons des stages. Déjà, il y a ceux obligatoires. Il y a les stages volontaires. Et durant mon premier stage, j'ai vraiment beaucoup galéré. Je me suis préparée à toute éventualité, mais le jour-là, nous avons reçu euh, une femme qui avait un problème respiratoire. Et genre, elle est asthmatique, en fait. Et les contractions étaient déjà avancées. L'accouchement était à quelques minutes près. Donc, on ne pouvait rien faire et on avait peur que sa respiration s'arrête lors des poussées. C'était trop de stress. C'était vraiment trop, trop de stress et panique. Mais la sage-femme en fonction déjà avec nous nous a assuré avec beaucoup de professionnalisme de calme. Elle a pu mettre au monde son petit bébé, si mignon. Bien que après, on était obligé de la mettre sous assistance respiratoire. Sinon, tout stage a son défi. Les rurales, c'est un autre défi. Et en milieu urbain, c'en est un autre. Est-ce que vous avez déjà assisté des femmes pendant l'accouchement Oui, nous, a, nous assistons les femmes enceintes pour qu'elles puissent accoucher en fait, c'est une grande partie de notre travail. C'est ça, être sage. Je veux dire sage-femme. Oui, pas sage-femme quand <laughs> les gens ont l'habitude de le dire. C'est vraiment. Nous savons que vous êtes déjà mariée. Comment est-ce que vous arrivez à concilier la vie de foyer et la fin des études Ça être sage-femme. Au tout début de mon mariage, les études commençaient à prendre une autre tenue. Car et, et avait les cours. Mais grâce à mon mari qui a toujours su faire la part des choses, tout va bien à présent. Il me soutient, il ne voit aucun inconvénient que je me concentre sur mes examens et stages. Y a-t-il euh, un événement particulier qui vous a touché euh, dans ce métier Bon, il y a des événements que je ne pourrai jamais publier. Mais je me souviens je me suis toujours demandé comment je ferais si un jour je voyais quelqu'un perdre la vie. Et je me souviens très bien, c'est un jour que je pourrai jamais oublier. C'était pendant mes stages ruraux. On nous a amené une femme qui était en travail depuis des jours. Et c'était à la dernière minute qu'on nous l'avait amenée. Avant de nous parvenir, elle était déjà épuisée. C'était vraiment horrible. Elle ne pouvait même pas pousser. Elle ne pouvait même pas pousser puisqu'elle était tellement fatiguée, épuisée. Elle a pu, finalement, elle a pu accoucher, mais par assistance. Mais avant que son bébé ne pousse, son premier cri, la femme nous avait quittés et en silence. Le jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps. J'arrivais pas à y croire. C'était en ce moment précis que j'avais compris mes limites et que je devais me faire à l'idée de ne pas être un ange ou Dieu. Il y aura des choses qui seront indépendantes de ma volonté. En tout cas, ces jours-là, on était, on était toutes, y compris la sage-femme en question, on était Oh, je sais pas. C'était vraiment pas facile ces jours-là. C'était trop triste. C'était trop triste. Voilà, avant de continuer l'entretien avec notre invité, place à la revue de la presse avec Nefissa Adamou Sirfo. Bonjour Nefissa. Bonjour Seno, bonjour Samira. Nous débutons cette revue de presse avec la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai dernier. Le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse appelle le gouvernement au respect de ses engagements envers les médias, titre l'agence nigérienne de la presse. En effet, ce 3 mai, le Niger a célébré la 30e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse et ce, à l'instar du monde entier. Une journée de réflexion pour les professionnels des médias afin d'échanger sur des questions relatives à la liberté de la presse ainsi que l'éthique professionnelle. Le président du conseil d'administration de la Maison maison de la presse a, au cours de cette journée, rappelé au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement, notamment le respect strict des textes, l'accompagnement des médias à être des véritables entreprises de presse et le rehaussement du fonds d'aide à la presse. Néanmoins, Seno, le conseil d'administration de la maison de la presse du Niger, déplore le recul du pays dans le classement de Reporters sans frontières RSF, 61e sur 180 pays. Le Niger a ainsi reculé de deux places. Euh, Nafissa, l'insécurité urbaine, un phénomène inquiétant, souligne le quotidien Mouria dans sa parution de ce vendredi 5 mai 2023. Et oui, selon le journal Mouria, l'insécurité urbaine gagne du terrain de la ville de Niamey. Le vol à l'arraché, à main armée ou avec usage d'engins sont entre autres les actes criminels qui sont enregistrés à Niamey ces derniers temps. Le quotidien Mouria d'ajouter que la police judiciaire a mis la main cette semaine sur les assassins d'une dame et sa fille. Cependant, malgré les efforts de la police judiciaire, cette insécurité continue d'être grandissante, d'où la nécessité pour la population d'être vigilante pour y faire face. Le gouvernement nigérien maintient sa dynamique de rapatriement des Nigériens vivants au Soudan, indique le quotidien Le Sahel. Effectivement, depuis le début des affrontements le 15 avril au Soudan, le gouvernement nigérien s'est lancé dans la dynamique de rapatrier ses ressortissants vivant au Soudan. Dans la nuit du 26 avril, 42 Nigériens, dont des diplomates, des étudiants, ont déjà été acheminés à Niamey avec l'aide de l'ambassade de France, souligne le Sahel. Ce 3 mai encore, 47 autres Nigériens vivant au Soudan ont été rapatriés. Ils sont arrivés sains et saufs, souligne les autorités c'est la fin de cette revue. Merci infiniment, Nefissa, pour euh, ce tour d'horizon avec euh, la presse nigérienne. Poursuivons nos échanges avec euh, notre invité Adama Désiré Emmanuel. Comment était votre première fois dans une salle d'accouchement La première fois que j'ai vu une salle d'accouchement et comment les choses se passaient dedans, j'ai failli m'évanouir. Heureusement, Heureusement que la sage-femme était à côté de moi. C'est elle qui m'avait attrapée et m'a fait asseoir pour me rafraîchir. Elle m'avait dit qu'elle s'attendait à ça. Elle m'a conseillé et rassuré que c'est comme ça et qu'il faut que je sois vraiment forte. Car tout peut arriver dans une salle d'accouchement. Et elle avait vraiment raison. Avec le temps et du recul, je l'ai comprise. Mais cette première fois en <laughs> salle d'accouchement était vraiment difficile. C'est pas que cette première fois seulement. avait dit j'ai vraiment galéré avant de, de, de, de m'y adapter. Mais maintenant, Alhamdulillah, ça va. Ça va. Je me suis beaucoup habituée. Tout se passe bien par la grâce d'Allah. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain Sur le terrain, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Oui, par exemple, l'analphabétisme de certaines femmes en milieu rural qui ne viennent pas faire les consultations prénatales recentrées. Et cette consultation du, début, du premier semestre, ça veut dire les 1, 2, 3 mois, 4, 5, 6 mois et les 7, 8, 9 mois qui font déjà les 9 mois. C'est lors de l'accouchement, nous sommes souvent confrontés à des problèmes qui nous dépassent. Mais si elle venait on pouvait détecter les problèmes plus tôt s'il y en avait. Et même si elles viennent, on n'a pas confiance. On prescrit ça, c'est un défi. Tu dis à la femme ce qu'elle doit éviter. cette consultation, ça, en fait, c'est une nouvelle approche qui consiste non seulement à déceler chez les femmes enceintes les signes qui permettent à prévoir que la grossesse et où l'accouchement présenteront des difficultés. Et aussi à leur apprendre à ces femmes à remarquer et à consulter quand quelque chose ne va pas. Et donc, lors de l'accouchement, nous sommes souvent confrontés à des problèmes qui nous dépassent, oui, qui nous dépassent vraiment. Parce que il y a des femmes qui ne venaient pas pour faire cette consultation. Du coup, on ne pouvait pas détecter à temps si l'accouchement là est un accouchement qui peut se faire à voix basse, par exemple, genre si elle peut faire ça d'elle-même, ou c'est un accouchement à risque, ça veut dire un accouchement qui doit se faire par césarienne. Et tu dis à la femme ce qu'elle doit éviter, mais elle fait quand même. <laughs> Et en milieu urbain, souvent, les femmes se trouvent intellectuelles. Et nous sommes souvent pour leur égale, égal, alors que malgré le jeune âge de certaines, nous, nous avons acquis des connaissances pour faire le métier. Oui. Avez-vous un conseil particulier à donner aux patientes et aux professionnels du métier moi, personnellement, le conseil que j'ai à donner aux femmes et aux agents de santé en général et les sages femmes en particulier est vraiment d'être tolérant. C'est comprendre pour le bien du travail et tout sera plus facile pour nous tous. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à l'occasion de cette journée mondiale des sages-femmes pour finir, à l'occasion de cette journée internationale des sages-femmes, je souhaite une bonne journée à toutes les sages-femmes du Niger, de l'Afrique et du monde pour leur métier très sage. C'est l'occasion pour moi de me tirer mon chapeau à toutes ces sages-femmes braves en fonction que nous côtoyons lors de nos stages et qui nous apprennent ce qu'on doit savoir. Bonne journée également à moi-même qui suis actuellement au stage. C'était là l'échange avec Adama Désiré Emmanuel sur le métier de sage-femme. C'est nous, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire, mais avant, marquons une petite pause. Dans la rubrique hebdomadaire du vendredi, nous allons parler culture aujourd'hui. Exactement, et nous allons parler de chasse. Abdoulaye Jibo, originaire de Cornaca, région de Maradi, a hérité le métier de chasseur de ses parents. Il le pratique depuis environ 40 ans. Cependant, selon lui, cette activité rencontre des difficultés. D'une part, parce que beaucoup hein, d'espèces animales et végétales ont disparu, et les jeunes qui ne s'y intéressent pas, d'autre part. Il explique comment se faisait la chasse au temps où tout allait bien. Il est, il est, est interrogé par Ousmane Mamadou. a 84 na fara yawo tare da tsoho muna shiga daji ton akwai kwarin daji Niger. kaga yanzu ba mu da su akwai wanda kai ka san su akwai su Niger irin su kure akwai raƙumin daji akwai barewa rijenkin gazandar wajen burtum kare wajen taskar yanzu babu su yanzu in kayi nan wajen ana dan samun wasu kwari rijan kintawa irin su dila wani sayaki yanzu babu su zabin daji sun kaura kenan ana su a halhado da gargajiya su ma kwarin nan ba wai mu ne mun kashe su akwai su dn babu inda suke samun ruwan sha na biyu kamar yaƙe-yaƙen da ake kwaro yana jin karan bindiga in ya firgita in ya shiga firkina ya zama ɗan ƙasa ya bar nijar in rijankin difa ne wanda ya ji karar bindiga in ya shiga chad bai dawa haka ko wanda ya shiga nigeria ko mali to shine muka rasa kwarin daji kaga muke yawo da waɗannan kaya domin galgajiya domin rike tarihi domin rike kakanni da iyaye abin suka gada mana to shi mahalbi kama a cikin jiha ko a inda kuke menene aikin shi mu abin aka sani da galgajiya da sarakuna na galgajiya an naɗa su ko idi ko wata sabga haka in za a yi ko sarki zai taimu muna raka shi tare da dogarai ne daban mu kuma matsayin mu daban na mahalban gargajiya in ana son wani abu na kwaron daji wanda ya shahi muna iya tahiya mu samu izini daga malaman daji mu je mu kawo shi ko da rai ko wani abu shine al'adunmu kuma magunguna na gargajiya wannan kasan duk mahalbi da wanzami mai aski da mahalbi to suna da maganin gargajiya dama su nasara ya sani nasara bai san wani boka ba ko wani abu amma ya san mahalbi ya san wanzami tunda a jikin kuɗi dala biyu in ka diba irin tada za ka ga wani ana ce mai abu tundul wannan kakanmu ne kenan tarihin halbi ne nasara ya sahi jikin kuɗi dala biyu bisa dala bin da ake gani ka ne a bisa eh abu duk kakanmu ne kenan shine mu ma muka rike wannan salsalan muka rike har muka kai mu ma ga ƴaƴanmu nan nayi in sun rike su ma ƴaƴan su yi kenan gargajiyar ga da ake so ta halhado kuma da harshen Hausa kuma har waje abun zai bunƙasa amma mu in mun saki su ba za su yi yaushe kuke zuwa yawon harauta ko akwai yawon harauta da kuke zuwa da ina da ina kuke zuwa kuna iya bayyana eh yawon harauta yanzu yadda muke yin shi akwai lokaci kaman bazara abinda ake cewa bazara kamar watan bakwai eh, damuna dai bata sabka ba to mukan sa gari da wancan gari da wancan gari irin yadda aka san galgajiya ta da wasu a dawaki tun ba kai ga motuna ba wasu a raƙon ma wasu ƙasa za a ta a nemi wani daji inda aka sa akwai ƙwarin daji ko kurege kakkaso ko wani ɗan tsuntsu ƙarami a ran nan kai ka zama ƙaura kuma ka zama mai asiri da cewar an je wani bai rasa ba ya samu ka gane muna taya wannan harauta amma ana fidda rana ana samun kamar gari goma sai mu haɗu mu yi a yini in kusa ne a kwana gida yanzu hatta kai muna taya da motoci da motuna mu sauka ga dagi a aje su a shiga a kewayo in ba a samu ba a wuce can sai a yi kwana biyu uku to lokacin farautar nan in bakwai guda aka huda da bakwai guda kin ya kare kuma sai shekara Poursuivons le Niger sur Kalangou avec euh, une fois de plus de la musique de la Lazik, une chanson d'amour chantée par Ali Atibili de Zander. C'est tout simplement Bakassine qui veut dire amour en langue zarma. On écoute. sinde filana filana wala filana makasine sinde filana filana wala filana mabani bako eh eh eh emana ba i mean binasara ma alhaneje emana ba i mean binasara maalhanashe mabani bako induniyara ingano fonda yeka yente bakasine matiyengeno ilmabatere bakasine matizambano ilmabatere bakasine sinde filana filana wala filana bakasine sinde filana filana, ole filana. MKTL. To Salabi. Day madinin asin dalakan. Makasinay no. Day madinin ay sumakani. Nino alfindi bako. Makasinay, sinapilana. Makasinay, filana, wala filana. Makasine, sine filana, filana, wala filana. sako masu hangan borai se hangan nibina baka sinai sinda filana filana wala filana baka sinai sinda filana filana wala filana haikan ai fundo ai bina gaba ingano ai gaba baka sine ma batterie, il m'a battu j'ai pas voulu te faire du mal jusqu'à tu refuses de ne plus me voir j'ai pas voulu te faire du mal jusqu'à tu refuses de ne plus m'écrire pourtant tu sais que je suis ton amour et pourtant tu sais que moi je t'adore ina so ki gane ki san ki lura ki san da so bai da magani so me san kashi ne riba kaka sha wuya so me san kishi ne riba kaki sha wuya dai madinin asin ga girbi baka sinai no baka sinai sinda filana filana wala filana barkan gaba sidi bortali ay binu bako no boraise hangan nibina bakasine sinda filana filana wala filana bakasine sinda filana filana wala filana bakasine sinda filana voilà Ali Oumarou, connu sous le, nom d'artiste Ali Atibili, est un chanteur de la formation Haske Star de Zander. C'est pourtant à travers euh, la danse qu'il fait ses premiers pas dans le monde des arts en tant que chorégraphe du groupe Loketo Band. Il se lance finalement dans le chant et sort deux albums avec Husky Star Sabon Salo en 2011 et Labari en 2015. Alors, euh, Mira, cette fois-ci, direction d'Osso, la cité des Koi, pour notre reportage en région. Oui, euh, un reportage qui porte sur la commercialisation et consommation de la pastèque dans la ville de Dosso. En ce moment, sur les marchés ou dans le riz des Dosso, on rencontre des revendeurs bilan des pastèques avec des grandes charrettes à la recherche des clients. Mamouzou Iliassou, revendeur des pastèques, est dans ce métier depuis environ 7 ans et c'est grâce à ses commerces qu'il parvient à prendre en charge sa famille. Oh, muna saida bakwai hakan gare babban marayi ga azumi amma mun samun ta ga azumi in ba ga azumi ne ba ba a samun ta irin hakan lalle kai alhamdulillah bisa gari tana ga cire gidana Alhaji Douda Umaru, consommateur, lui, ne peut pas se passer de ses fruits. Selon lui, c'est à cause de ses bienfaits. Il en consomme davantage, surtout pendant la rupture des gènes. abu ne mai gyara ciki wajen digestion ki mutum ba zai ji wani an ba kuma zai kara mu ci karhi des vertus confirmés par les nutritionnistes de la Direction régionale de la santé publique des Dossous, Issa Aboubakar. Du point de vue nutritionnel, la pastèque est très riche d'abord en eau, ce qui permet une bonne réhydratation de l'organisme, surtout pendant cette période de haute chaleur. En dehors de sa teneur en eau, la pastèque est également riche en glucides, des glucides et des sucres. Elle contient également des vitamines, notamment la vitamine A, la vitamine C et les vitamines du groupe B. La pastèque est un fruit nourrissant qui étanche à la fois la soif et la faim, car répété, être un bon stimulateur de digestion. Vendue en entier ou en tranche, elle est accessible à toutes les bourses. Exactement, la pastèque appelée melon d'eau dans certains pays est une espèce de plante herbacée de la famille des cucurbitacées, c'est-à-dire les melons, les courges, les concombres et les courgettes. Elle est beaucoup cultivée au Niger et en Afrique en général. Ce reportage a été réalisé par notre correspondant à Dosso, Aoussi Abdraman, rendu au studio par Alamine Ouachar. On prend une petite pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur kalango Le Niger sur kalango est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio kalango Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Place à présent à Soumana Amadou pour la page sport. Bonjour Soumana. Bonjour à tous. Alors, parlons euh, parle-nous de notre ambassadeur Mohamed Sajad qui participe au championnat du monde de boxe en Ouzbékistan. effectivement, Mohamed Sajad, le jeune boxeur, a effectué son premier combat le mercredi 3 mai contre le boxeur du Kyrgyzstan, également champion du monde en 2021. Malheureusement, le boxeur Sajad a perdu le combat, donc éliminé de la course pour, pour plus euh, de détails sur le, ce combat et les perspectives, pardon, et les perspectives à venir pour le jeune boxeur, je vous demande d'écouter Mohamed Rabi Bala, entraîneur de Sajad. Mohamed Sajad ya yi iya kokarin shi wurin wagga wasa da ya zo kuma in ce maka an jima Niger ba a samu ba hawan ya samu aka yi seleksiyonan zuwa wasa ga ta duniya ta box kuma wasa ce wannan ita ce ta duniya kasashe ne daban-daban da yawa kuma manyan 'yan wasanni ne kuma da ya farko ma ya ɗauko wani ɗan wasa tun da demil bantian da ta wuce wannan ya yi champion ɗan wasan nan kuma ɗan kirgistan ne wani nasara ne kasan kowa da irin dubarun shi eh, na wasa sajar sun fara wasa yana so ya dishi kama a hankali ya gano shi ana yi karo uku ne to cikin wasai suna wasanni. minti uku suka yi saura ce da goma aka buga ashe abubuwa da sun sake mu dai ba mu ga ya bigi sajar ya haɗu ba aka ma sajar kilgo ilgo na kawo albitar kin ya tsaye da kun baya ba wancan nasarar nasara muna nan shiri an kama shi kenan Allah da muna neman za mu nemi taimako bakin gwalgwado wanda za a kulawa da lahiyar shi ita ga ta duniya ce to akwai kwamfala gasa ta olympic wanda za a yi nan gabakin yan watanni Allah da muna sa ran za a yin shi Effectivement, l'entraîneur, ou bien disons l'encadré de Sajad, nous a confié qu'il y a plusieurs rencontres de boxe auxquelles Sajad s'apprête à participer et qu'il a besoin du soutien de tous les Nigériens. Merci Soumana. Chers auditeurs, euh, c'est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour et aujourd'hui nous allons à la rencontre de Moutari Mohamed, le célèbre fabricant de mortiers dans le marché de Maradi. Il a hérité de cette activité et aujourd'hui il gagne sa vie dans la vente de ses réalisations. Moutari Mohamed initie même les plus jeunes à cette activité. Écoutons-le au micro de notre envoyé spécial à Maradi, Habibou Garba. na da 22 eh mata uku Sana'a ta kasuwar maradi babba da sai da tilmi na daka tilmi ta ɓarya kwashe gatari duka gaba ɗaya kowane muna sai da eh mu masau najeriya zo nan mu gyara tun yaushe ne kun fara wannan aikin ga na shekara 40 ina yi ne da mene eh, samu cikin wannan aiki alherin na samu eh. kai bai karantu sai dai iba daidai gwargwado an samu alheri an yi ɗaya an yi gidaje an yi komi da komi ciki wa'anda ke zawa sai daga nesa ma ana zawa sai kuma nan ne gida kewayen maraɗe duk gaba ɗaya har da ƙasa waje ana zawa sai to firi bayan da bashi akwai ƙanana akwai maiya bayan da babu akwai ƙanana wanda har na jikka da hamsin ɗari uku akwai na jikka biyar cikin ƙananan ma su kuma ya akwai na goma akwai na takwas akwai na tara wani lokaci har mai hauda mu goma duk akwai abin da yana ba da lokaci lokaci to eh, yanzu eh, kuna iya ku gaya muna eh, me yasa ku ce wannan aiki wanga aiki mu gare mu gado ne mun ga uwa mu na yi amma su kaɗan kaɗan suke mu yanzu da abin ya daraja abin ya kai mutum da yawa na yin shi kowa zuwa gari ya sai ya ce ku koya min sai mu koya mai e, ana yawa gare su kwarai ku inda kai ka samu rihan asiri ai alheri ne sana'a hannu kwarai ku a shi wanda baya sana'a duniya ai an kware ya kwali kan shi an kwale saboda in ka zan baka da ilimi baka da sana'a hannu baka da komi masunanka ai sai mugun hali ko eh amma in ga sana'a alhamdulillah wanda sai ga dabba su da yawa tunda wani zawwa yake bai da sana'a sai zo ya ce ku taimaka mini in samu sana'a ga ina samun rihan asiri to haka ne muke taya da abu kakane kasuwa ya ce a wannan maradi eh to kasuwa mun sha daɗi wasu kwanuka amma an ga kwanuka sai a hankali me yasa Voilà, après euh, ce portrait très inspirant, nous allons cette fois-ci euh, prendre la dernière tournée en musique. Euh, de Guiston ensemble le morceau Auré du groupe chirin de Chiro. Et eh oui, euh, de Chiro, très malheureusement, le son, la qualité du son n'est pas du tout bonne. On s'excuse pour ce petit problème sonore. Alors, je crois qu'on va aller directement avec euh, notre rubrique euh, Loti du jour. Avant d'aller euh, à la rubrique Lortie, euh, on va quand même parler de notre troupe al quand même pour que les Nigériens qui nous écoutent sachent exactement c'est quoi cette troupe et qu'est-ce qu'elle devient. La troupe culturelle des filles de Tiro continue toujours à faire tourner les mélomanes, euh, la tête des mélomanes plutôt avec de la bonne musique moderne nigérienne, mais de nos jours, la renommée de la troupe al dépasse les frontières du Niger. Elle a été plusieurs fois invitée dans la sous-région et même en Europe. Selon le secrétaire général de la préfecture hein, de Tirozérine, une relève est déjà en train d'être préparée hein, pour euh, perpétuer les acquis musicaux obtenus par Albichiri. Exactement, c'est nous. Alors, maintenant, on peut passer au loti. Oui, Samira, aujourd'hui, cette rubrique sous forme de sketch que nous proposent les femmes du studio Kalangou nous parle de l'importance de ramener les enfants de temps à temps au village pendant les vacances. On les écoute pour plus de détails. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji alaikum. ‘Yan uwa, yaya kike? Wa alaikum salam Rabibi, da dama. Alhamdulillahi, me nake ganin takardu dumtsin a ki haka? Fasfor kin yara nake ta nema tun dazun nan. Fasfor? Yo, kin manta ne, yanzu lokacin hutun karshen karatu kin san ko muna zuwa ƙauye. ƙauye kuma amma kifa ina ji da ki tahiya birnin bai isa ba hal kuma ki wuce ki je ƙauye hmm, zama a birni da yara ina ji shi yafi komi. Haba ke kuma, halin kin manta ne a ƙauye na girma, a can aka aihe ne. uwaye na ma suna cin ya kamata in kai yara mana sun kakanninsu gaskiya ni ba zan iya ba yo me yasa a ƙauye kin san akwai cututtuka da dama shi yasa lokacin da nake ƙasar Nijar ni ban zuwa ƙauye balle ma a ce in kai yara na ikon Allah Rabi min kike faɗa ya kuma dangin nakiwa ta waya ina kiran su ta waya lokaci zuwa lokaci shikenan daga waya sai waya yo muke so in yi kuma ban da wannan haba rabi idan kuma a wata sabga ya kike yi kiran su nike wani bi ina aika musu wani abin hannuna mhm. da da ke a ganin ki kin su kenan ko da kike ya mai duk lokacin da sabga ta same ki ai kina ganin su ha ba su maganin nisan wurin da kike debo wanda kike can bakin gari amma he mutum ya tattaka je wurin ki kada hukki mantawa zuwa ƙauye ga dukkan iyali ya zama wajibi tunda yara za su san juna kuma su kulla zumunci da 'yan uwansu. Mhm. Lili, haka ne, amma zan san naki gaskiya sai an yi nazari aka. Diba Rabi, kin hosan sun yi mu yawa. Mu ne ya kamata a ce mun yi tattaki mun je wurinsu. Kuma Dibawa yara ba su wata damuwa wannan kuma sai ma ya sa ma su ƙara faɗaɗa ilimin su tunda za su gani abu diya wanda ba su sani ba kuma ga abokan su nan ai ba wani zancen abun da zai dame su sai ma su sake sosai su shiga cikin dangin su ta aka yi mini in na kai yara na ƙauye za su kamu da wasu cututtuka kuma ni gaskiya ban so in haɗa wannan hatsarin yo su da suke raye a can me yasa ba su mutu ba ai su dole ne kuma sun saba kayan su ku da kan kuna iya sabawa hawa bari zancen nan kin shi ko haba rabi idan kina gudun cututtuka ne ki nemi shawara mana wurin likitanki don ki tare yan karamin akwatinki na magani ni kin ga kullum in zani ta tahiya bulaguro ke ko da nan da wuri kaɗan ne zani in dawo da bayan nisa wallahi sai na ta yi da 'yan magunguna na kuma sannan babban ma abin da nake tayya da shi ina kaiwa dan abinci saboda waɗanda zani iskewa su ma in taimaka musu. Mm, kina da gaskiya ta wannan hanya ina ji abin yana iya yiwuwa. Kwarai kuwa, ai ina ma ƙara tuna miki da cewa ni haka nan nake yi a koda yaushe in na ganin eh. sarkaina. Ni ai na san wata da ba taɓa zuwa ganin surukanta ba. Hmm. Wannan kam da ni kike. To, shi kenan na gane, Lili zan ɗauki shawarar ki in Allah ya yarda. Ina gani ni kaɗai ce mai irin wannan tunanin. Riba Rabi, wannan kada ya sa ki kawo tunani a kanki. Ba ki kaɗai ba ce. Na sani sarai akwai mutane da dama wanda suke fama da irin wannan matsalar gaskiya kam ya kamata mu canja hali a gaskiya kin gane wannan kuma shine yake saboda dare da aka ce ma kowa ya tattara kayan shi kama hanyar garinsu <laughs> za mu gani ina zaki da yan koma tsanki ƙauyen dai za ni. <laughs> jama'i fa ba garinku ba ce a dai zinani na kenan yi ƙoƙari ki tunani <laughs> Kina da gaskiya Lili, in Allah ya yarda, wannan dai hutun ma na shirya in je ƙauye da ni da yarana. To, ko kewa, in dai kina so ki samu yauni sosai a cikin ɗakin ki, ya kamata fa ki kai masu rikanki ziyara. Su kuma a ƙauye suke, na zaman ƙauye ya kama ki, <laughs> ko kuma in ce zuwa ƙauye ya sami? ki. In Allah ya yarda Lili, ai wannan makarin ba kwa bar ni ba a cikin garin. Insha Allah ya To Allah ya kula mana. Voilà, c'était là hein, le loti euh, des femmes du studio Kalangu. Retour au studio et dans ce studio, nous sommes en compagnie euh, avec Alamine Ouachar. Il est journaliste traducteur en langue tamashek au studio Kalangu. Aujourd'hui, avec lui, euh, on va découvrir la signification du mot sage-femme en tamashek, mais il donnera d'abord la définition en français. Alamine, bonjour. Bonjour, c'est nous. Euh, la sage-femme se définit littéralement comme euh, la femme qui est sage, mais il s'agit d'un professionnel de la santé qui peut être un homme ou une femme, formé pour surveiller la grossesse et assister les femmes lors de l'accouchement. Mais les hommes sont très peu représentés dans ce métier que certaines estiment que pour les femmes. Au Niger, dans certains villages, ce sont des femmes appelées matrons qui assistent les femmes dans l'accouchement ou l'absence à l'absence des sages-femmes. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, prévoit une sage-femme pour 5000 femmes en âge de procurer. Au Niger, on recense une sage-femme pour 3670 femmes, un chiffre largement indécent de

فلقنا وقلنا الشغل واه وردغ سقتا ميدن إيجيس الشغل موس تاقينا غاريني تيرن قلنا والنصيحة دارت وقلنا دولة النيجر دغا صفن لان تطلو رنشين تصنن دغ تطلو رنشين تاقزني نامزور ورنقا تاغري النصيحة ميشان فلقنا وهدن أستو sodam دغا sagawar ne توستانو tostanu آه، إيكاس ikas tantu tiya data suwar tsin daga tamiran مريا غورو قزنم زورستان مساجفا يا جيم انتونتوت آه، شينا هانين تاريت ني جوزا نمزور داني جارو آه، نجري ناس ساجفا يعني تانتو تي داتا تسنا داتورو دنشين اي توكاس اي كرار جيمت سدي ستمار دسان تمر وين انتونتوت ارات ورني وين القيمة تا تكس تكس سجور ندني تستانو ام اس فلقنا ويقلن لكم ينزا وندنيت adana sina marang itu doden natafnena wenasta Tani Tanimer Alamine, merci. Chers auditeurs, si euh, vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'expression en anglais, en hausa, en jarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. On prend une pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Maintenant, écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. Masha Allah ni dai ni ce Halima arziki ma wannan gaskiya shirye-shiryen suna kayartar da mu saboda shirye-shirye ne wanda ke kawo kwanciyar hankali kuma yana kula da mata da yara. kenan wannan shirin yana waye ma al'umma kai bisa ga zamantakewa su ta yau da kullum musamman mata da yara. Muke jira ya kamata studio kwalangu waɗanda ba ta samu partenariya da su ba a su ma an samu an kai gare su domin su yaɗa wannan labarin nasu masu mahimmanci da shirye-shiryen da suke domin studio kalangu a tsakani da Allah yana ƙayatar da mutane al'umman da kanun su ke cikin duhu dangance da harkan mata da yara hisbilillahi kanun su sun waye yan sun san mahimmancin mace kuma da yara sunana isuf jidda hasa karce wadata kwac ne na kojiha kuma president ne na cooperative kiwo bunƙasa ƙasa shirye-shiryen studio kalagu a nan garin arlit muna sauraron su tana tam da dama wanda muna jin daɗin su me amma akwai abin da muke so a ɗan ƙara kaɗan to karcen mu karce ne wanda ya zamanto kaf cikin arlit babu karce mai haɗari kamar shi karce ne wanda muna zamne tare da mutane kala-kala yana da kyau studio kalangu cikin shirye-shiryen da take muna son ta ƙara ta kama mana da wayar da kai isine se kala abdulaziz muhammadu guda kan siga ne bankuku ai si kala ne ga ya kwara studio kalangu lalle ai ga studio kalangu hangana gumo gumo studio kalangu asigira ga kana ise mu zama labari fo kan borsi duga mara yo cinde ira bumbo kulu studio kalangungay wo satu gungay ino ga bangandi kanga nang boramadu fahamai da bayrai da la sabu hanno studio kalangudin aiga hanga radio ga ya dimono turwa san vansan ka dimbon mu aiga hanga danga portable gano ya zaman go da boramandu ka karajiyo no hangan go turwa san san ko wata kulun go gono e ba kini guru wakin dihin kawla guru fo lokaci kulu kan bortunu dinna dango nigaduwa eto hansen wo kan ga bayi mate kaki jumma hane emission maison de presse wono din to français hin ni ga te da iro dirga du ima du lokaci yankan ka kan iga te da zarma kinan da hausa kine wallahi hay kulkanti bankan ga hangan studio kalangu se da bankan se studio kalangu haraka ga kanu ikulai fonda goida i ga nan da ido gumo gumo wana wana e omar hamma so studio kalanguna ye fulanki na te ay fonda goyde sabo ga tonan da do gumo da hay kul kanti i studio kalangu goyterey da i wakilay kayan go nijar labo kul kap i kulay gay fonda goyde sabo gan tonan di do ga ngwaray mo ko mi ga kasina i goy ga ka tonton Chers auditeurs, Studio Kalangu, c'est aussi et surtout la grande édition du soir, le journal en cinq langues et notre forum quotidien. Et justement, nous sommes avec Rafika Ataer, Bonjour Rafika. Bonjour Seno. Quels sont les grands titres de ce soir alors pour les grands titres de ce soir, euh, le Niger perd deux places et est classé 61e pays sur les 180 étudiés. C'est ce qui ressort du classement 2023 de Reporters sans frontières. Selon le rapport, ce recul est dû au fait du non-accès des journalistes à l'information. Ensuite, dans la région d'Ottawa, des animateurs des radios communautaires du département de Conny bénéficient d'un renforcement de capacité sur les méthodes à suivre pour diffuser des informations sûres et fiables. Enfin, la ville d'Agadez, la vieille ville d'Agadez est classée patrimoine mondial de l'UNESCO il y a de cela dix ans. À ce jour, quelle est la situation de ce site Vous aurez la réponse dans la partie magazine de ce soir. Merci infiniment. À ce soir alors. Nous sommes à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Samira Rouafi et moi-même Ali Munkela Ousseni. Alors, le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. À la technique, c'était euh, Amina Hassan et juste à côté d'elle, l'édition était assurée par Rahila Toussoumana. Rendez-vous samedi et dimanche pour l'actu des jeunes et notre émission plutôt jeune, tous à la fada. Mais avant, nous vous laissons en compagnie euh, de la troupe Albichir de Tiro avec le titre Aoré qu'on n'a pas pu déguster ensemble. Bye bye et bon week-end. Bon week-end.